cette annonce mais c'est Conseil technique du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Euh, à mon, mon, avis, ça a été une journée très euh, instructive, euh, dans la mesure où cela a permis de mettre en exergue le principal programme qui est déroulé par le ministre de l'Agriculture, de l'agriculture et de l'équipement rural, à savoir le PRACAS, qui est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Cela permis également euh, de montrer un peu la stratégie déroulée pour euh, atteindre les objectifs qui ont été fixés par le PRACAS, à savoir le en riz, euh, principalement comme activité et de en oignon, la production de la réussite jusqu'à 1 million de tonnes, mais également l'augmentation de l'exportation des fruits et légumes qui devrait atteindre presque 150 000 tonnes par an. Ok, donc le partenariat avec l'INSA devrait pouvoir être euh, poursuivi afin de renforcer la formation des élèves ingénieurs. On peut bien imaginer dans ce cadre-là des conventions qui soient signées entre euh, certaines structures du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural avec euh, afin de pouvoir euh, renforcer l'encadrement et faciliter également, en tout cas, l'encadrement des euh, étudiants de, de l'INSA. C'est le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA. Euh, aujourd'hui, c'était la cérémonie officielle de d'ouverture des journées agronomiques et culturelles de l'ENSA, des journées qui se déroulent chaque année, qui sont des cadres de réflexion autour des thématiques qui gravitent autour de l'agriculture sénégalaise. Donc, c'est des moments où nous invitons l'ensemble des partenaires, les, les partenaires publics-privés, les, ministères, nous avons eu le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et nous essayons de, de, réunir toutes les parties prenantes, les, organisations de producteurs, pour qu'on puisse maintenant échanger sur, sur les questions d'actualité, mais aussi sur des questions pressantes concernant l'agriculture. Le thème de cette année a été l'agriculture sénégalaise, enjeux et perspectives, focus sur le Prakas. Et nous savons pertinemment que le Sénégal est dans, a lancé le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan émergent, le volet qui concerne, nous pouvons l'agriculture, c'est le PRACAS. Donc en ce moment, nous ne pouvons pas parler d'agriculture sans, sans le PRACAS. Et le conférencier a eu à détailler et il nous a plus édifié sur, sur, le PRACAS. Donc nous, pouvons, nous ne pouvons qu'être rassurés rassurer aussi et nous estimer heureux parce que nous pouvons dire que la, la cérémonie officielle a, a tenu euh, toutes les attentes que nous, nous, nous espérons. tey tey nous nekkoon ci suñuy journée agronomie et culturelle mu nekk journée yi nga xamante chaque année école bi da koy def day day journée yoo xamante ne ay waxtaan lay nekk ñëpp ñuy liggéey si wàllu agriculture bu ñu nee agriculture dañ siy boole mbay beeg sàmm beeg lépp ñu ñëpp ñu toog waxtaan ñu échanger si développement wu agriculture xool tamit yan possibilité nag lañ mën a euh, xalaatee tamit pour que agriculture bi gën a gën a jëm kanam ren nag dañoo accès suñuy waxtaan si PRACAS mu nekk benn programme boo xam te ne gouvernement Sénégal moo ko lancé te PRACAS mën nañ ne vole bu si gën a soxal sénégalais mën nañ ne mooy ceeb bi ñu am euh, autosuffisance ceeb bi tey nag conférencier bi ñëw ñëwaat na si PRACAS wax nañu objectif yi wax nañu atu yeeg limite yëpp donc tey bañ jigee si rey si conférence bi gën nañoo leeral ñun en tant que ay ay étudiants ñun en tant que ay ndaw yoo xam te ne day jàng si wàllu agriculture agriculture pour gën a xam nag ñun lan moo war nekk suñ taxawaay pour que programme pour que projet gouvernement si si si agriculture euh, pour revenir peut-être sur certains euh, nombre d'autres questions c'est que je euh, je vais pas m'attarder sur beaucoup de choses Alors, vous avez posé la question, par exemple, de la sécurité alimentaire. Le docteur a donné un, un point de vue là-dessus. C'est vrai que quand vous définissez ces notions-là, vous ne les définissez pas souvent euh, au niveau national. Ce sont des organismes qui sont euh, habilités à le faire et d'habitude on les rapporte au niveau national pour que les programmes soient en, cohérence avec. Quand vous prenez par exemple la sécurité alimentaire, euh, c'est au niveau du SILS que les gens donnent la définition réellement de ce qu'on entend par la sécurité alimentaire. Et c'est le SILS s'inspire du programme alimentaire mondial pour ça et, il dit que la sécurité alimentaire euh, euh, se fait sur quatre dimensions. La dimension de la production agricole, il faut que dans le pays, les gens aient la capacité de faire une production suffisante. La deuxième dimension, il faut que cette production soit en mesure euh, d'être accessible. On peut avoir une production sans qu'elle ne soit accessible, aussi bien du point de vue physique que du point de vue monétaire aux, populations, mais également qu'une euh, fois qu'elle est accessible, qu'elle soit fasse l'objet d'utilisation. C'est ça la, dimension, la, troisième dimension de la sécurité alimentaire. Et la quatrième, et il en a parlé un peu, c'est la question de la qualité. Tout ce qui est trait à la nutrition. On peut faire de la production agricole sans pour autant que le produit ne puisse euh, montrer en tout cas répondre aux, critères euh, de nutrition qui sont euh, demandés du point de vue euh, de la richesse, en tout cas en éléments minéraux, protéines, glucides, glucides, etc. Donc tout ce que vous savez comme ça. Donc c'est comme ça qu'on définit un peu la sécurité alimentaire. Quant à l'autosuffisance alimentaire, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un indicateur que je vous ai montré, le taux de dépendance, le taux d'autosuffisance euh, alimentaire. Là, c'est quand un pays a la capacité de produire et de se dire ce que je produis et ce, que, euh, ce dont j'ai besoin, je peux faire 100%, 40, 10, et nous, on est aux, alentours de 50%. Ça veut dire que nous, notre euh, autosuffisance alimentaire tourne autour de 50%. Alors, euh, la souveraineté alimentaire, je ne reviens pas euh, trop. Euh, on a parlé du taux de dépendance aux importations. Tant que vous êtes dépendant, vous n'avez pas la souveraineté. comme il l'a dit, quand le bâton tombe en panne ailleurs, là vous avez des difficultés pour pouvoir vous nourrir. Et il peut y avoir, en tout cas, des stocks de sécurité un peu partout qui soient mis en place. Où est-ce qu'on en est avec l'autosuffisance en riz Pour vous dire la vérité, c'est que 2017, on n'aura pas d'autosuffisance en riz. Nous en sommes aujourd'hui autour de 900 000 tonnes euh, de palis et il nous faut 1 600 000 tonnes de palis. La progression n'a pas permis euh, d'atteindre ces 1 600 000 et 2017, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'on est à 70 80%, mais il y a encore des efforts à faire. Donc pour le soutien à lui, on n'y sera pas. La motivation euh, des acteurs, euh, voilà. Euh, est-ce que les acteurs sont, motivés la, la, seule motivation pour le moment, ou en tout cas les motivations que nous avons, c'est l'encadrement, les subventions. C'est ça les motivations que nous avons pour les principaux acteurs. Euh, quand quelqu'un veut euh, entreprendre, est-ce que l'État est prêt à l'accompagner L'État a mis en place un certain nombre euh, d'outils ou de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs potentiels. Est-ce que ces outils sont accessibles ou non Là, il faudra peut-être les tester pour les voir. On, on montre souvent, nous avons visité sur le terrain également des gens qui ont accès à ces dispositifs, que ce soit dans le cadre de euh, l'Agence pour le développement euh, de l'agriculture, l'ANIDA, que vous, voyez souvent, avec des jeunes qui ont, euh, qui ont été financés pour faire de la production agricole, l'aquaculture, etc. Et tout, donc ce qu'ils appellent les fermes euh, agricole. Il y a des fonds qui sont là, comme euh, les fonds destinés aux jeunes, etc., en autres, qui sont là également pour euh, mettre en place des fermes agricoles. On a vu des fermes financées pour des, des, jeunes entrepreneurs. Donc là aussi, il y a la question de l'accès. Mais c'est vrai, on peut imaginer que l'État n'a pas la capacité de financer peut-être tout le monde ou beaucoup de personnes, mais toujours est-il que il y a des outils ou des instruments qui sont mis en place. Les autres, euh, euh, l'eau, comme euh, les quotas dans les nights, l'eau constitue le principal facteur de développement agricole. Quand vous faites par exemple une analyse factorielle, ou en tout cas multifactorielle, d'une production agricole, ce qui est sûr, c'est que l'eau va occuper à peu près 30 à 40 de, de l'impact Hein, disons, euh, le facteur le plus important à à 40 Après, il y a les intrants, les semences et euh, autres produits qui peuvent euh, venir. Mais toujours est-il que dans les vrai, il y a des quotas, mais dans d'autres zones, il y a des zones où l'eau n'est pas accessible. Et quand elle est accessible, le principal difficulté, la principale difficulté, c'est la mise en place d'instruments ou en tout cas d'outils pour permettre à ce que les, euh, cette eau soit euh, valorisée, donc qu'elle soit euh, utilisée pour l'irrigation. On a vu dans des zones où il y, a, de l'eau, mais il n'y a véritablement pas de euh, machine pour faire, il n'y a pas de forage, machine pour faire de, l'irrigation. ce qui fait que de plus en plus, l'État cherche à, à, appuyer les populations en mettant en place des forages en milieu rural, que ces forages soient à la fois destinés à l'alimentation euh, en eau potable, mais également à ce que euh, ces forages puissent vendre l'eau pour faire de l'irrigation dans des euh, petits versets que les jeunes et les femmes mettent en place. Alors, est-ce que les tracteurs sont adaptés à nos sols Je crois que chaque fois, il faut faire bien entendu des études de sol nous avons vu pour beaucoup de tracteurs quand même qui sont importés, ils sont adaptés. Il peut y avoir des zones où il y a des difficultés, euh, des, des, des, des, études ou en tout cas euh, peuvent, faire, euh, être faites et que euh, le ministère soit informé, en tout cas les décideurs, pour que des mesures soient prises dans ce sens-là. L'agriculture familiale, je n'y reviens pas. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que l'agrobusiness n'existe pas dans nos pays. Ça, c'est une réalité. Les gens font de l'agriculture euh, dans les champs euh, autour de la maison. Et c'est dans tous nos villages. Et on fait de l'agriculture pour nourrir en, priorité euh, la famille. C'est ça qu'on appelle agriculture familiale et on a un matériel qui est à disposition pour ça. La famille eh, offre eh, la main-d'œuvre et les ressources tirées de cette agriculture sont destinées encore à, à la famille. Donc c'est ça qu'on appelle l'agriculture familiale. Maintenant, est-ce que l'agriculture familiale peut nourrir la population tout est question d'organisation. Aujourd'hui, il y a des défenseurs euh, invétérés de l'agriculture familiale. Quand vous regardez, par exemple, certaines organisations de producteurs comme la FONCS, la Fédération des ONG euh, du Sénégal, eux, pour eux, c'est l'agriculture familiale qui peut nourrir euh, euh, l'Afrique. Voilà, ils sont partis jusqu'à dire qu'ils peut nourrir l'Afrique. Mais pour d'autres, il faudra euh, euh, une implication, bien entendu, euh, de l'agrobusiness. Et de plus en plus, au Sénégal, vous verrez que l'agrobusiness commence à prendre de l'importance. Il y a des zones dans la, vallée du fleuve Sénégal où il y a des programmes de développement, par exemple, intégrés de l'agrobusiness. Hein. c'est comme ça qu'on l'a appelé, le Pédidas. c'est d'ailleurs géré par un, ancien de l'ENSA, les Ndekourambay, hein. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, et, mettre à la disposition de ceux qui veulent exploiter de grosses euh, superficies euh, des terres. Et ces derniers, sur la base de, de bail signé avec les collectivités locales et les producteurs, font les investissements qu'il faut, appuient les producteurs qui sont aux alentours, et puis la production et pour une période donnée et après ils laissent le reste à la euh, population qui va euh, poursuivre. Euh, l'agriculture biologique, c'est vrai, plutôt que l'utilisation d'engrais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de l'agriculture sans utiliser de l'engrais C'est une question qui est posée. On a souvent parler de l'agriculture biologique, mais parler de l'agriculture euh, biologique ou écologique, euh, c'est à vous de, euh, de voir ce que vous appelez. Mais agriculture biologique, ça veut dire nourrir la plante avec plus de matière biologique que de matière minérale. Or, la, disponibilité de matière organique pose problème. dans son, en son temps, les gens ils faisaient de la jachère. Aujourd'hui, les zones de chasseurs ont presque euh, disparu. Et c'est sous ces chasseurs qu'on faisait perdre les animaux euh, pendant l'hivernage. Et euh, quand le sol s'est reposé avec la matière organique, l'année prochaine, elle s'est bonifiée, il s'est bonifié et on peut venir faire une autre culture pour permettre à ce que. Mais ce système a presque disparu. Pourquoi Parce que l'intégration agriculture-élevage n'est plus de les gens qui font de l'agriculture. Euh, il y a des zones spécialisées en élevage et après cela, ils euh, vont en ville ou en tout cas, ils font l'exode euh, véritablement faisant que l'agriculture biologique n'est pas aujourd'hui la seule alternative. Mais il y a des défenseurs de l'agriculture biologique et qui ont aussi des arguments qu'il faut. Et ça veut dire qu'il faut véritablement euh, travailler à ce qu'on trouve les méthodes euh, pour, pour, capter l'eau qu'il faut. Il y a des euh, produits que les gens vendent, par exemple, en Europe et qui peuvent même être importés ici. Il y en a qui, les importent d'ailleurs en Europe, en Israël, pour conserver l'eau du sol. C'est également un élément d'importance pour la matière organique, mais la question de l'azote aussi euh, qui est un produit euh, capital pour toute culture, parce que c'est avec l'azote que euh, la matière organique ou la matière protéinique se fabrique. Il faut absolument qu'il y ait cette, cet azote-là, et pour le moment, on l'a synthétisé que à travers les engrais, quand vous prenez. Quoi qu'on puisse dire aussi, c'est que le, quand un, un, un technicien comme vous et moi, vous sortez de l'école, vous voyez qu'au niveau du ministère, le salaire euh, est à un niveau et qu'un projet à côté pour vous payer euh, trois à quatre fois ce salaire, ce qui est sûr, c'est que, comme il l'a dit, vous avez deux femmes, il va, falloir euh, courir, en tout cas, vers ce, ce projet-là. Vous n'allez pas attendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des agronomes sont sortis du ministère. Il n'y a plus d'agronomes au niveau du ministère. Pourquoi Parce qu'ils trouvent des ONG, ils trouvent des ONG internationaux, ils trouvent des projets qui leur payent plus que ce qu'ils gagnent avec l'État, ce qui fait qu'ils prennent soit des disponibilités, soit euh, des détachements, ce qui fait que euh, véritablement on n'a euh, pas beaucoup de... Mais il faut continuer quand même à travailler avec l'État. De toute façon, quand on n'a pas ces projets-là ces enjeux ou ces organes on est obligé de travailler avec ce qu'on a. Quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Et une fois maintenant avec l'État, on est obligé véritablement de travailler avec l'État pour développer ces euh, programmes. Sur le terrain aussi, euh, il y a des euh, techniciens. D'habitude, dans chaque commune rurale, il y a un conseiller rural. C'est comme ça on l'appelle, un conseiller rural. il y a des conseillers agricoles, il y a des forestiers, euh, il y a des euh, euh, conseils en élevage dans, ces, qui sont affectés dans ces, dans ces communes rurales-là et qui sont chargés de conseiller les agriculteurs quand ils ont des projets ou en tout cas en période d'hivernage, etc. Et c'est à travers eux qu'on fait passer un peu le conseil rural. La, faiblesse des intrants reçus. Les gens ils posent toujours la même question. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'État ne garde pas des semences. Donc, euh, l'État ne peut pas donner des semences à tout un chacun en début d'hivernage. L'État ne donne que une partie, afin ne distribue que ce qu'elle a pu rassembler auprès de producteurs semenciers, qu'elle achète, subventionne et met à la disposition des producteurs ce qui fait que parfois vous trouvez des producteurs qui n'ont que euh, du 10 Parfois même dans une maison, on peut trouver des gens, euh, ils s'inscrivent deux, trois ou quatre fois, chacun a du kilos, ça leur fait 40 kilos. bon, ils viennent, ils disent on n'a que du kilos, c'est vrai, mais il faut toujours euh, penser à compléter ses propres tomates et garder ses propres tomates. Et l'État encourage toujours dans la conservation des tomates c'est la même chose pour euh, le gros matériel, les sommaires dont on a parlé. Euh, oui, euh, il faut bien que les gens puissent aller trouver eux-mêmes leur propre le cas fait juste des gestes, mais le reste, ce sont les paysans qui doivent aller voilà, faire Alors, juste pour résumer et, conclure, c'est qu'il il y a euh, jusqu'ici des questions euh, qui sont restées d'actualité. Il faut le dire, il ne faut pas euh, véritablement fuir les débats. Et ça se pose aussi bien à notre niveau, au niveau des ministères, au niveau de l'État, que à tous les autres, dans toutes les autres sphères, au niveau de la recherche, au niveau des organisations de paysans et peut-être même à votre niveau. Et il faut continuer à réfléchir et à nourrir ces débats-là. Et comme je dis tout euh, souvent, tant qu'il n'y a pas euh, de malade, il n'y a pas de médecin. Et comme ces questions-là, c'est véritablement la maladie, ou en tout cas les maladies de l'agriculture sénégalaise, c'est ça qui nous nourrit à nous autres aussi euh, qui réfléchissons à l'agriculture et c'est sur ça qu'il faudra véritablement continuer à travailler. Merci beaucoup.